ترى الكولة الكولة كيسة شغل أمي دو مولاي سيدنا الشيخ إبراهيم نياس ما شاء الله رضي الله عنه وأرضاه التيجاني ما شاء الله بوركوا être adopté par la famille Nias mmh. en tant qu'ambassadeur de la Palestine, c'est marqué cette fusion mystique qui était initiée par Maulana Sid, euh, Sheikh Ibrahim Nias, anhu, qui était parmi les premiers, les premières références religieuses du Sénégal, mais de l'Afrique, a marqué une visite euh, euh, en, à Jérusalem, à la mosquée d'Al-Aqsa, et a été permis de guider tous les imams et ulama palestiniens sur place dans la prière. cest à lui qu'on a favorisé pour guider le, reste des ulama, des muftis, etc. En présence de tous. En appréciation.